parce que les problèmes d'inondation sont des problèmes structurels, profonds. Je pense qu'il faudrait une intervention supérieure. Mais comme nous le faisons chaque année, euh, donc euh, activités pré hivernantes cette année aussi nous avons voulu reconduire donc, le même schéma. D'abord, le furage est important parce que l'année dernière nous avons vu les résultats euh, du curage. Nous avons voulu cette année-ci aussi reconduire ce curage avec euh, l'ONAS, avec euh, les communes d'arrondissement. L'ONAS prend une partie, les communes aussi prennent une partie de ce curage et la ville de Thiès. Et donc nous avons commencé cette opération de curage depuis un, mois. À côté donc, du curage, donc, nous avons aussi acheté des motopompes et avec leurs accessoires pour appuyer évidemment la brigade des sapeurs-pompiers, mais à côté des, sapeurs-pompiers aussi, nous allons avoir une équipe mobile qui pourra être à côté des populations et pour aider les populations au moment donc des, inondations. Mais aussi, nous avons voulu appuyer les services d'hygiène avec euh, du matériel euh, phytosanitaire euh, donc, pour faire le saupoudrage. Vous avez vu tout à l'heure donc le chef de service lui ce, matériel, c'est du bon matériel et donc nous avons acheté aussi les produits qui vont aussi avec ce, matériel. Euh, nous avons euh, donc aussi à côté de, ça prévu de faire une opération de désensablement. Euh, donc parce que cette opération de désensablement aussi est, très importante parce qu'elle permet non seulement à l'ICG, la de pouvoir faire son, travail, mais aussi elle participe donc cette opération de désensablement dans la lutte contre les inondations. Et aujourd'hui, nous prévoyons aussi une grande opération de reboisement et aussi une opération délagage, délagage des, arbres. Voilà de manière générale quelques activités que nous avons voulu aujourd'hui partager avec les populations de, de Thiès, toujours avec le concept une mairie au service des populations. On a également l'implication des acteurs de développement, mais surtout des, des OCB. Oui, j'ai oublié aussi le remblai aussi. Euh, le remblai aussi l'année dernière, j'insiste, a donné beaucoup de résultats dans certains quartiers populaires où les populations s'organisent euh, pour lutter contre les inondations. C'est les populations qui connaissent bien leur milieu, qui connaissent bien aussi la, la, voie de, l'eau. Et souvent, ils demandent du sable pour dévier. Et, et c'est une opération très efficace. Cette année-ci, nous avons fini de discuter avec le fournisseur déstabiliser une feuille de route avec et tous les quartiers en tout cas qui vont manifester donc une demande de, donc la ville de Thiès sera à, côté de ces, quartiers -là. Euh, donc a euh, un peu duré, mais je dois les recevoir tout à l'heure. Elles m'attendent, elles sont à l'intérieur. Je dois discuter avec euh, eux sur les activités aussi, comment impliquer le mouvement navetan dans les grandes activités de, vacances et comment davantage les soutenir. monsieur le maître wala benn kàddu wàccaayu nawet bi mel na lii jéegalu bu solo. waaw jéegalu bu am solo. Euh, ndaxte nawet bi moom mi ñëw man saa su su ma gisee xiin rek damay damay am njàqare su ma nekkee Dakar sax su ma gisee xiin wala dégg taw rek dangay am njàqare njàqare bi yëpp du mooy li ngay ragal mooy inondation euh, da ngay gis ay famille yu nekk ci ay jafe-jafe yu métti mais inondation yi ñëw mën leen a yokk ay tiis ak njàqare moo tax ñun li ñu mën a def. ca nga xam ne moo dépendre ci ñun da ci jiitu mooy curage curage boobu dafa am solo ndax daaw bi ñu ko defee dafa am ci ay place yu nekk ci dëkk bi yoo xam ba ñu leen gëjoon a curé ëpp na vingt ans mais bi ñu defee curage bi bu ndox bi ñëwee lu ndox mi bëri bëri dañuy gis ni ndox bi day daw donc au bout de quelques minutes au bout de quelques heures ndox mi dina wàññeeku bu baax moo tax ren ji ñu ñu reproduire ci gërëm waa ONAS bu baax ñu ngi ciy jàpp bu baax parce que ñun amuñu moyen jël en charge curage boobu ci gëm gërëm aussi les communes de Thiès Est de Thiès Ouest de Thiès Nord parce que dañ koy séddoo ku ci nekk aussi da jël une part mais à côté de ce ñu jënd ay moto pour jàppale sapeur pompier non seulement pour jàppale sapeur pompier mais aussi ñun dañuy monter ay équipe mobile yoo xamante maintenir bu inondation ñëwee zones yi gën sensible équipe yooyu dinañu ñëw ak seen matériel ak seen moto ak seen accessoire pour jàppale population yi moteur pompe qui gis ngeen ko euh, service d'hygiène aussi nous avons des dañuy def saupoudrage ñu jëndal leen matériel phytosanitaire bi nga xamante ni jëndal nañ leen ko pour appeler leen gis ngeen matériel bi ñoom sax nee nañ matériel bi matériel bu baax baax la ak produit yi nga xamante euh, ci aussi remblai dama ciy wax remblai dafa am solo ay suuf parce que daaw ci inondation yi soo xoolee quartier yi xale yi ñoom xam nañ yoonu ndox bi xam nañ seen i quartier mais dañ daan am ay jafe-jafe am suuf bu doy pour mën a dévier ndox bi pour xeex ak ndox mi daaw joxe nañ ci ay camions yu bëree bëri ren jii aussi ak fournisseur bi stabiliser nañu ak moom feuille de route ñëpp ñi nga xamante ne ay quartiers yi nga xam ne ñu soxla suuf incha allah dinañ leen indil suuf ñu ñu jàppale leen ci élagage bi aussi ci la bokk ndax garab yi dañ ko war a dagg dina yokk éclairage bi mais aussi dina yokk sécurité loolu aussi donc ñu ngi ciy liggéey reboisement bi aussi beneen opération la boo xam war nañ ko tàmbali ci mois d'août bi boo xamante ni opération la boo xam budget bi teew na donc liggéey bi dañuy xaar rek pour pour pour pour lancer ko donc loolu yenn ci activités yi nga xamante ni bëggoon nañ ko partager

gëna euh, duggal seen loxo ci doxalinu dëkk bi donc euh, ñoom ay ñu ci bëri ci ñoom ay intellectuels lañ xam nañ seen i engagement par rapport léeg-léeg euh, peut-être am na yoo xamante ni nit ñi dañu leen a invité wul mais ñoom ñi may rencontré di waxtaan ak ñoom je sais que ni pare nañ pour gën a dugal seen seen seen loxo ci ci doxalinu dëkk matériel bi ñaata la leen di ci Ah oui, c'est beaucoup d'argent. Je pense que parce que du benn rubrique rek et je pense que ñu ngi ci boo boolee activité yëpp ak euh, ak moto pompe yi ñu dëkk je pense que ni par sur la on dans les trente millions. oui ci sur la durée sur parce que du benn rubrique rek dañu boole yu bëri da ngay boole remblai. les achats motopompiers, achat moto donc on est sur les 30 millions. Sous euh, sous brigade départementale d'hygiène de Thiès. Mhm. voilà euh, nous votre travail quotidien est salué mais en période euh, hivernale c'est pas plus compliqué. Si on peut dire que c'est un peu compliqué, comme vous savez, en période hivernale, la plupart des maladies endémiques, comme le paludisme, la diarrhée, la dysenterie, les parasitoses, les plus redoutables pour nos populations, euh, donc, trouve un terrain propice euh, immédiat dans notre environnement. Euh, donc, car les conditions d'hygiène, de salubrité et d'assainissement n'y sont pas des meilleures. cependant, la sous-brigade départementale d'hygiène de Thiès, dont j'ai l'insigne honneur de diriger, compte dérouler une opération de saupoudrage pour réduire la densité des vecteurs, euh, les moustiques euh, vecteurs euh, de la fièvre jaune et du paludisme. Mais aussi procéder aussi à des opérations de désinfection et de désinsectisation. Donc, pour lutter contre les micro-organismes, les bactéries et les virus responsables des maladies diarrhéiques, mais aussi des infections cutanées. Donc, sur ce, nous remercions infiniment le, maire de la ville, euh, en l'occurrence M. Babakour Diop, qui n'a ménagé aucun effort et qui a mis à la disposition du Service national de l'hygiène un important lot de matériel vraiment pour pouvoir intensifier euh, la lutte contre les vecteurs. Donc au nom du colonel Maudo Malik Diop, euh, chef du service national de l'hygiène, au nom aussi du capitaine Idriss Ndiaye, le chef de la brigade régionale d'hygiène, nous félicitons infiniment M. le maire de la ville, M. Babacar Diop, pour ce geste noble et nous disons aussi à l'endroit de la population tiessoise euh, de prendre vraiment toutes les dispositions. Nous leur disons que les jours à venir, nous allons démarrer la campagne, nous allons démarrer les opérations de saupoudrage pour lutter contre les vecteurs, Inch'Allah. Pour nous aussi, euh, donc le service d'hygiène nous euh, compter tàmbali ay opérations de saupoudrage opération de saupoudrage mom moñuy dimbali pour ñu mëna a ak vecteur yi. mom lañuy wax pompe dëkk bi moy yi ñuy faral di def di wër dëkk bi ak suñuy auto opération yi nak day démarré ay 19 h 20 h lañ koy démarré bës buñ koy def aussi dañuy ñaax aussi population bi xamna ça peut-être jot bi duñu ko may mais dinañu def ay émission ay campagne de sensibilisation comme ça ñu wax ak nit ñi jaaykat yeeg yoyu ñu mur seen lek yi. opération yi noonu moo ñuy dimbali pour yooyu xam nga nawet moom ak euh, ndox yu bon yeeg yooyu feebar yu bëri ci lay profité juddu parce que dañuy trouver les lieux propices pour ñu jàngoro yooyu mën a dal population bi donc ñun nag ñun dañuy teel a jug service d'hygiène gis ngeen tey li ñu indi fii tey mooy matériel bi nga xam ne monsieur le maire dimbalee na ko service d'hygiène duñ la guleet nag ndax yàgg na ko def yàgg na jàppale service d'hygiène en tout cas depuis que ñu nekk fi ba léegi euh, même brigade bi boo xoolee daf ko réaménagé waat daf ko defaraat réhabilité waat ko jox ñu ay pavé dimbali ñu ci ciment dimbali ñu ci suuf moyen nag du doy état mi ñuy jox mais du doy donc moom dafa njëw fekk suñu loolu xam na importance ak njëriñ bi nga xam ne service d'hygiène am na ko fii ci diwaanu Thiès matériel ngeen jox matériel bi ñu jox ay matériel pompe la ay matériel de désinfection ak ay matériel ne pour saupoudrage bi la jox nañ ci aussi produit bi nga xam ne moom la ñuy pour mën a xeex yi produit bi nga xam ne moom utiliser pour mën a aussi yoy ak Thiès moom xam nga deuk garab la aussi ak taesadra ak yooyu gis nañ tay la demande elle est trop forte njugub yeeg euh, yini mel yamb yeeg yooyu mais opération bi dafa ñeu à son heure donc li ñuy def rek du ñu def lu dul gërëm monsieur le maire de la ville encore une fois Babacar Diop di ñaax nag yeneen maire yi dañ leen di ñaax ñu suivre ñu def comme ñu def de même comme maire ni mu ko defee comme sa ñu mën a sillonner dëkk bi yëpp sillonner artère yëpp def le maillage de la zone comme ça Thiès ren ñu xam ni vraiment teel ñu jël suñu disposition yëpp wàññi jàngoro yi ak yenn yenn feebar yu sew yi. dernière question est-ce que am ngeen moyen logistique yu doy dañuy gis. un élément yi dugg taxi di def seen liggéey. waaw xam nga nak lolu mom honnêtement euh, amuñu moyen on n'a pas les moyens on n'a pas les moyens puisque la sous-brigade d'hygiène de Thiès euh, dispose d'un seul véhicule. Et le véhicule là, vraiment, euh, c'est pas du tout opérationnel. Donc nous lançons aussi un appel euh, à l'endroit des autorités pour nous dire nous ci loolu ñu jox nous couvrir parce que zone de puisque la zone s'étend jusqu'à Kayar donc nous dañuy soxla honnêtement nous jox ñu nous de nous ne dinañ def réclamation en tout cas nous nous lu merci mon cher